forum district the forum district kalangu the forum the forum the forum the forum the forum the forum Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangu, une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Les programmes du Studio Kalangu sont diffusés en direct sur 34 radios partenaires à travers le Niger et ce, du lundi au vendredi de 17h à 19h et les week-ends de 17h15 à 18h15 minutes l'assainissement du secteur des ONG étrangères. C'est le thème du forum de ce soir. Qu'est-ce qu'une organisation non gouvernementale étrangère Quels sont les types d'ONG qui exercent au Niger Comment fonctionnent ces ONG Qui les finance Quelles sont les difficultés auxquelles font face ces ONG quelle est l'importance pour le ministère de l'aménagement du territoire d'assainir ce milieu, comment se fait le contrôle des interventions de ces ONG internationales, les ONG en question respectent-elles toute la réglementation en vigueur au Niger, sinon pourquoi, comment garantir des interventions saines et profitables aux populations du Niger, ce sont entre autres questions auxquelles le forum de ce soir tentera d'apporter des réponses. Avec nous au studio pour en discuter, M. Clément Philippe, conseiller au bureau de l'OIT c'est l'association des organisations internationales représentées au Niger. Il est également responsable pays de l'humanité inclusion. Bonsoir, Monsieur Clément. Bonsoir. Et avec nous, Bacharou Suleiman, directeur général du développement régional et local, euh, un service rattaché au ministère de l'aménagement du territoire. Bonsoir, euh, monsieur le directeur euh, Bacharou Suleiman. Bonsoir, monsieur Alassane. Merci à vous d'avoir honoré donc, notre invitation. Présentation de cette émission, à Alassane Kouzi Mohamedou. auditeurs et auditrices du studio Kalangou, merci de rester fidèles à nos programmes. Je le disais ce soir, nous parlons des ONG étrangères installées ici au Niger elles sont nombreuses, ces organisations internationales qui interviennent dans divers domaines au Niger. Éducation, santé, agriculture, élevage, sécurité, migration, médias ou encore, pour d'autres, l'assistance humanitaire. Ce sont là les domaines clés dans lesquels interviennent les organisations non gouvernementales étrangères. Les interventions de ces ONG sont encadrées par des textes. Dans le cas d'espace, l'ordonnance 8406 du 1er mars 1984 portant régime des associations puis le décret 92 292 MP MF F du 25 septembre 1992 portant modalité d'application de l'article 20-1 de l'ordonnance citée constitue la référence. Ces textes prévoient les modalités de création, d'installation et d'exercice sur le territoire nigérien des ONG internationales. Mardi 20 février passé, le ministère de titel, notamment le ministère du Développement communautaire, a organisé une rencontre avec euh, les ONG étrangères. Il s'agissait de faire le point notamment sur le respect de la réglementation en vigueur. Alors nous allons sans tarder euh, commencer avec vous, Monsieur le Directeur général donc, du développement régional et local. Euh, Bacharou Suleiman. Euh, peut-on d'ailleurs savoir euh, l'objectif principal visé à travers la rencontre organisée le mardi 20 février dernier Merci M. Alassane, merci au studio Kalangou pour nous donner l'occasion d'apporter des informations supplémentaires susceptibles d'éclairer les auditeurs et le grand public donc sur cette grande entreprise que le gouvernement a engagée sous le leadership du ministère du Développement communautaire et de l'aménagement du territoire qui, euh, vous le savez, assure la tutelle des ONG et associations de développement. Alors, nous sommes partis d'un constat. Euh, vous voyez, dans les années 80, le mouvement des ONG était très faible. Mais devant euh, le constat ou l'option que le gouvernement avait prise, donc de faire de ces organisations un instrument de promotion du développement, on a créé un cadre juridique, administratif, financier et fiscal incitatif à travers notamment les textes que vous venez de citer mais aussi à travers d'autres mesures incitatives pour permettre aux ONG eh, étrangères, mais aussi aux ONG nationales, donc de trouver un terrain favorable où elles pourraient se développer. Donc c'est dans ce cadre-là, par exemple, que des exonérations étaient accordées aux ONG, au début même par rapport à leur fonctionnement, mais aussi par rapport aux investissements. Mais au fil du temps, on a dû donc supprimer le fonctionnement de l'accès aux exonérations et de laisser quel investissement qui lui est censé aller en direction de populations locales. Mhm. Alors, euh, cette politique d'émergence donc a permis euh, d'arriver à un effectif d'ONG Association de développement de plus de 3000 aujourd'hui. Et nous avons des ONG euh, étrangères, un peu moins de 300. Alors, pour nous, mhm. les ONG doivent accompagner l'État dans ses efforts de développement. Et c'est ça que nous constatons. Par exemple, en 2014, on voit qu'un eh, échantillon d'environ 10-11% d'ONG a dépensé eh, environ 74 milliards de francs CFA donc, euh, eh, dans l'appui au développement. Et ce, nombre-là, ce montant, s'est accru en 2015 parce qu'il est monté à 114 milliards. Mmh. Donc on voit vraiment la contribution des ONG au développement. Et lorsque nous faisons une contribution euh, par secteur, on voit que eh, les ONG investissent dans les secteurs qui sont considérés comme prioritaires par l'État. Donc l'accompagnement là est indéniable. Elles sont en train d'appuyer l'État dans ses efforts de développement en répondant donc aux, problèmes des populations. Mais vous voyez tous ces chiffres là dont je viens de vous parler mm-hmm. ne portent que sur un échantillon d'environ 10-11%. Un échantillon de 10-11%, pourquoi mhm. Parce que le travail que nous avons fait a été fait sur la base des rapports d'activité qui ont été déposés à la tutelle C'est qu'il y une obligation pour chaque ONG mhm. de déposer quand même un rapport d'activité au plus tard le 31 mars. Donc ça veut dire que le rapport d'activité de l'année 2017 au plus tard le 31 mars 2018 doit être déposé. Mhm. Et à cet effet, d'ailleurs, un communiqué a été fait pour le rappeler aux ONG, mhm. mais c'était euh, déjà des informations qui étaient contenues, par exemple, dans le protocole d'accord. Alors, ce que nous constatons, c'est qu'il n'y a que 10-11% qui déposent le rapport d'activité. Et comment est-ce que, euh, si nous n'avons pas d'informations, on peut capitaliser mhm. hein, l'apport des ONG dans le développement Niger. Donc, en grosso modo, c'était pour euh, vous retrouver et puis rappeler aux, aux, voilà. Donc, euh, vous voyez, il y a ce, problème de rapport. Mhm. Il y a aussi ce que nous appelons le protocole de mise en exécution. Vous savez, les ONG sont considérées comme des structures intermédiaires qui présentent certains avantages. Mhm. Cet avantage-là, c'est par rapport, par exemple, la proximité avec la population, ce qui mm. leur permet vraiment de développer des approches adoptées, mm. l'efficacité, l'efficience, mais aussi la possibilité pour elles d'avoir des investissements qui puissent être durables dans le temps. Alors, par rapport à ça, donc, on a demandé que chaque ONG puisse signer un protocole de mise en exécution avec euh, la commune, si elle intervient au niveau communal, avec euh, le préfet, si elle intervient au niveau de deux communes du même département, avec le gouverneur, si elle intervient au niveau de deux, départements de la même région, et avec le ministère du Développement communautaire, si eh, elle intervient sur au moins eh, deux régions. Nous constatons que ces protocoles de mise en exécution, qui sont des instruments qui doivent favoriser le partenariat entre les ONG et les acteurs de base qui ne sont pas signés par beaucoup d'ONG. Or, ce sont ces protocoles-là qui nous permettent, par exemple, de voir si l'ONG intervient en conformité avec, par exemple, le plan de développement d'une commune, puisque vous mm. savez que chacune de nos communes aujourd'hui est dotée d'un plan qui trace les orientations en matière et les priorités. Donc, en intervenant, l'ONG doit répondre quand même aux priorités. Mm-hmm. Vous voyez, deuxièmement, c'est que si elle finit d'intervenir, donc elle doit euh, donner les informations. Au cours de l'intervention, il, y a tout le processus d'échange, de dialogue qui se fait. L'ONG peut avoir besoin de l'appui du maire ou des élus, et c'est là où, euh, effectivement, dans le protocole de mise en direction, on doit le spécifier comme un apport et une contribution de la communauté. Si les communautés de base doivent donner une contribution quelconque en nature ou en espèce, c'est là-dedans que ça doit être spécifié. Vous voyez, c'est un outil vraiment puissant de partenariat, mais malheureusement qui n'est pas, pas respecté. Il y a aussi le protocole d'accord type qui doit être signé avec, euh, avec l'État. Donc ça, c'est une disposition mm. donc, de la loi qui dit que chaque ONG reconnue doit signer le protocole euh, d'accord type. Et aujourd'hui... Ça, c'est avec l'État. C'est avec l'État. Toute ONG doit signer avec l'État et ce protocole d'accord type trace le cadre général de coopération entre l'État et les ONG. Ça veut dire toutes les obligations de l'État vis-à-vis des ONG. Parce que nous avons des obligations mm-hmm. vis-à-vis de ces ONG, mais aussi elles ont des obligations vis-à-vis de, l'État et de la population. Mm. Et nous constatons malheureusement que beaucoup d'ONG, y compris des ONG étrangères, donc ne signe pas donc, ce protocole Devant cette situation, mm. euh, il était euh, important oh, de, se, retrouver. oui, de se retrouver parce que le gouvernement en amont a pris le 16 juin 2017 euh, donc une décision pour engager des mesures d'assainissement. Mm-hmm. Des mesures d'assainissement donc du secteur des ONG. Et le ministre du Développement communautaire et de l'aménagement du territoire a souhaité rencontrer les ONG pour porter à leur connaissance. Nous allons, revenir à vous. Nous venons vers vous. Euh, Monsieur Fillet. vous représentez, je le disais tout à l'heure, donc euh, l'OIREN, qui est euh, l'organisation qui regroupe les organisations internationales représentées ici au Niger. Et vous êtes aussi le responsable pays de HI, Humanité Inclusion. Dites-nous, qu'est-ce qu'on entend par une ONG étrangère Une ONG étrangère. Euh, étrangère, c'est organisation non gouvernementale et conduite par des, des principes euh, humanitaires où euh, le, le, principe, par exemple, de neutralité, principe euh, d'indépendance sont clairement identifiés et on essaie de travailler beaucoup sur ces aspects-là pour, pour, pour qu'on puisse apporter de l'aide dans les zones notamment en conflit. Euh, une ONG, une, une, ONG donc internationale, euh, c'est qu'elle est, euh, elle n'est pas enregistrée, elle est enregistrée, pardon, au Niger, mais euh, son, son, siège social est, euh, est à l'étranger. Donc, elle est enregistrée. Donc, je le disais au Niger, donc, vient juste de, de, le, de, le, dire avec les, en signant les certains accords comme mm-hmm. le, le, PAT, mm-hmm. où il y a des, forcément, on ne vient pas au, Niger comme comme on le, on le, souhaite, mais c'est avec le, avec le, le ministère de l'Intérieur, le ministère aussi de l'aménagement du territoire, euh, où on est sous, tutelle de, cette tutelle-là. Et on, vient dans ce cadre-là. Donc c'est important de, relever que on vient euh, pour aider le gouvernement, on vient pour euh, aider la population nigérienne, les communautés nigériennes à, leur propre développement. il y a des ONG dites humanitaires qui viennent, qui assistent, qui apportent une, assistance humanitaire. Par exemple, euh, actuellement euh, à Difa mm-hmm. ou euh, dans la région de Tilaberi, sur des, il y a des mouvements de population où là on apporte une aide directe. et après, il y a tous des, acteurs de développement ou des ONG internationales de développement qui travaillent aussi sur, dans d'autres régions au Niger, main dans la main avec le gouvernement. Et là, je voudrais remercier aussi le ministère de l'aménagement du territoire et du développement communautaire où donc j'entends euh, assainir le secteur associatif. Nous, on a, rencontré le ministre déjà mhm. l'année dernière où euh, il y a eu un peu le, même discours et, euh, c'est intéressant. Et nous, on entend, on ça. Je crois que nous, ce qui est, important à, souligner, c'est qu'on doit avoir on, a, on, doit être redevable. Les ONG internationales doivent être redevables. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est, important. Et donc, pour euh, le, le fait d'assainir euh, le, secteur associatif. Je parlerai pas d'assainissement, je parlerai mhm. plutôt de, de, rendre plus lisible le ah, secteur associatif, mais <laughs> donner des, rapports d'activité, on en donne chaque mois à nos bailleurs de fonds. Et pour cela, on, se doit aussi d'en donner, euh, au, ministère. <laughs> Et, Monsieur Clément euh, Philippe, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que c'est que ces réseaux, donc les organisations internationales représentées au Niger On peut avoir une idée du nombre et puis. effectivement c'est important parce que le monsieur précisait qu'il y avait, euh, il y, avait, je crois, en, 2016, 300 ONG internationales. L'OIRN regroupe un peu plus de 60 euh, ONG uniquement, j'allais dire un peu les, plus grosses mm-hmm. euh, qui travaillent sur tout le territoire du, Niger et qui travaillent dans quasi toutes les, tous les secteurs qui ont déjà été cités, mais on peut on, peut citer effectivement l'éducation, la santé, sécurité alimentaire, la mhm. nutrition, l'eau et l'assainissement, l'alphabétisation, etc. Euh, voilà, dans, dans, tous ces secteurs-là. Alors, comment fonctionnent ces ONG et qui les finance euh, pour la plupart Ici, le, financement vient de, différentes sources. Principalement, c'est très très varié. À titre d'exemple, hein, les, sources de financement peuvent venir des, bailleurs institutionnels. Je citerai l'Union européenne, les, euh, les États-Unis, les, euh, toutes les, euh, euh, tous les autres, les autres pays, viennent aussi on, a parlé de solidarité internationale et ça c'est important, mhm. viennent tous les fonds propres des, ONG, que les, ONG puissent collecter ces fonds propres et le mettre au profit de leur, leur mission sociale. et donc cette, cette aide ou entraide internationale, cette solidarité euh, s'exerce, se manifeste sur le sol nigérien et ça vient aussi d'autres des fondations privées ou, euh, ou même des, euh, nations des Nations Unies. Alors, est-ce qu'on peut savoir quelles sont les principales difficultés auxquelles souvent vous faites souvent face Je parle notamment donc de, l'OIRN, des organisations internationales représentées au Niger. Les principales difficultés. Oui, avant de parler des difficultés, c'est surtout, je crois je l'ai redit, mais il faut, il faut le redire. Parce qu'on, euh, vraiment, là, on est euh, sur, sur la thématique d'assainir le secteur associatif. Effectivement, j'aime pas trop ce nom. Hein. Je crois que c'est mieux rendre plus lisible. Euh, mais, mais c'est aussi, c'est aussi remercier le ministère, remercier le gouvernement, parce que je crois qu'il y a une réelle entente mmh. et une réelle volonté de travailler ensemble. Mmh. Donc c'est pas, c'est pas punitif. Et, on le voit, on, le voit nous chaque, chaque jour qu'on veut, on veut s'adresser au gouverneur, s'adresser aux autorités locales ou au, ministère, la porte est toujours ouverte. nous tend, on nous tend les bras et nous, c'est ce qu'on veut. Euh, c'est travailler main dans la main et pour rejoindre euh, aussi euh, ce que dit ce que ce que dit le monsieur, c'est c'est effectivement donc ce que je disais, c'est nous on, on, a le droit, il, il, faut être redevable, mais cette redevabilité, c'est aussi quand on donne des, des, des rapports d'activité, c'est pour notre notre propre bien et, j'insiste aussi pour que les autres ONG, que ça soit national et international, parce que mhm. c'est aussi important, puissent donner ces rapports d'activité pour un besoin de coordination, capitalisation tous les données. Et c'est avec ça qu'on peut avoir, que le ministère, que le gouvernement peut avoir une cartographie du Niger sur les vulnérabilités, sur les besoins. Et là, demander aux organisations, au, secteur associatif et aussi aux ONG internationales, on est de la société civile, mais de venir dire voilà, il faut, euh, il faut aller dessus. Vous parlez de, difficultés. Oui, les difficultés, euh, on en a parlé, c'est euh, les, difficultés souvent d'accès humanitaire. Je prends l'exemple à, Difa ou à Tilaberi où, où il y a l'état d'urgence, euh, une population qui, euh, qui, qui habite dans, dans, des lieux qui sont euh, difficiles d'accès et donc on ne peut pas, euh, nous en tant qu'ONG internationale, et après s'emporter la voix pour les ONG nationales, mais mhm. aller assister ces populations. Ça c'est une grande difficulté. Deuxième difficulté, c'est on en a brièvement parlé, c'est sur les exonérations. Mhm. c'est on demande les exonérations pour, pour mener à bien nos, nos, nos activités. Et il est vrai que des fois, on attend plusieurs mois pour, euh, avoir ce matériel exonéré et qui, malheureusement, la population n'attend pas, notamment les médicaments. Après, j'entends ce qui, est, dit, effectivement. Il faut que les ONG jouent le jeu de cette transparence pour qu'aussi le, ministère, la Dongan notamment, euh, puisse, donner les exonérations. Mmh. Et l'autre difficulté aussi, pour finir, mmh. euh, si vous permettez, c'est le besoin de coordination. Besoin de coordination entre les ONG, euh, besoin de coordination avec les acteurs humanitaires au Peut-être qu'on va, on va y revenir ah, vers la fin pour, pour, pour, voir un peu euh, les pistes déjà à envisager pour notamment contribuer davantage à, à l'objectif commun. Nous revenons à vous, euh, monsieur le directeur général euh, Soleiman, quand euh, le ministère parle d'assainissement, <laughs> on a vu Clément Philippe disait que lui, il préfère plutôt une autre terminologie, rendre plus euh, lisible plutôt qu'assainir. Quelle est l'idée derrière euh, cette terminologie, l'idée derrière assainir le secteur des ONG internationales le ministère. Ok, merci, M. Alassane. Quand, M. Clément parle de lisibilité, je suis d'accord avec lui, mais pour nous, c'est un des effets recherchés à travers l'assainissement. Nous sommes conscients du fait que les ONG eh, interviennent euh, de façon euh, importante dans notre pays, mais qu'aujourd'hui, cette contribution n'est pas assez lisible à travers notamment le tableau que j'ai brossé tout à l'heure. Mais euh, le terme assainissement, pour peut-être comprendre comment est-ce qu'on l'a choisi mhm. euh, parmi euh, tant d'autres, c'est peut-être un des termes en français qui caractérise le mieux la situation. Quand nous, nous faisons le, diagnostic du secteur, nous le faisons de façon globale, donc ONG nationale et, ONG internationale, mhm. parce que c'est quand même un mouvement commun, même si les moyens ne sont pas les mm-hmm. mêmes, mm-hmm. peut-être le niveau de déontologie n'est pas le même, il y a un certain nombre de différences. Mm-hmm. Mais euh, c'est qu'aujourd'hui, nous avons aussi des ONG nationales qui ont atteint le niveau euh, d'autres ONG étrangères. C'est ça, euh, c'est important à dire. Et ça aussi, on est arrivé là grâce à l'appui d'autres ONG, d'autres ONG internationales. étrangères. Voilà rendre à César ce qu'il <laughs> Oui, oui, ça, ça, ça, ça, je le dis parce que euh, vraiment j'ai été témoin mm. de tout ce processus-là. Ça fait 20 euh, ans que je suis dedans, sinon un peu plus. Ah oui. Mm. Alors, euh, vous voyez, j'ai parlé de rapport d'activité, j'ai parlé de signature du protocole d'accord type, j'ai parlé du protocole de mise en négociation, toutes choses qui devaient relever donc des dispositions juridiques qui régissent mm. donc le secteur des ONG. Mais je dois dire aussi que nous faisons face aussi à d'autres problèmes. Et ces problèmes, surtout par rapport aux, ONG nationales, c'est par exemple des exécutifs, des bureaux, mmh. eh, qui continuent à exercer au-delà de leur mandat. Vous voyez, pour une ONG qui prend la bonne gouvernance, ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, après que le mandat soit expiré, eh, pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, on continue à exercer ça pose un problème de légitimité, mhm. un problème, même de légalité par rapport à certains actes qu'on pose. Mais ça, c'est pour ce qui concerne les ONG nationales Essentiellement pour ce qui concerne les ONG eh, nationales. Parce que mhm. vous, savez que les ONG étrangères sont reconnues dans leur pays et que nous, ici, c'est des autorisations d'exercice euh, où oui. Mhm. nous sont au Niger, on les autorise à exercer. Donc ces questions-là sont réglées dans leur pays. Voilà. Maintenant, il y a la question de la traçabilité des ressources. Vous voyez, lorsque la situation de DIFA arrive, beaucoup d'ONG euh, utilisent cette situation pour pouvoir mobiliser des ressources. C'est bien, c'est un mouvement de solidarité internationale. D'élever de sens ou des de fonds Oui, euh, c'est la situation humanitaire, la dégradation de la situation humanitaire, c'est avec cela donc qu'on touche la sensibilité, mm. donc des barres de fonds. Bon, c'est des acteurs qui sont importants parce que ça augmente notre capacité de réaction, donc par rapport à certaines crises. voilà, à certaines crises. voilà, c'est ça, c'est bien. Mais nous souhaitons aussi qu'il y ait de la traçabilité. Si on mobilise tant, qu'on sache que ce montant-là a été effectivement dépensé au profit de quoi il a été mobilisé. Je pense que M. Clément avait parlé donc de redevabilité et là je suis d'accord avec lui. Et je pense que beaucoup d'ONG qui eh, défendent ces valeurs-là vont nous aider à ce que cela soit dans les prochains mois, dans les prochaines années. L'autre aspect aussi qui se pose, c'est la question du partenariat. J'avais tantôt eh, souligné que si nous sommes arrivés à développer le secteur eh, des ONG aujourd'hui au Niger, c'est aussi avec, certes, la volonté, euh, volonté du gouvernement, mais c'est avec l'appui déterminant aussi des ONG étrangères. Donc, euh, ces ONG étrangères donc, sont en partenariat avec des euh, ONG locales qu'elles ont soutenues. Elles ont renforcé leurs capacités pour les amener à un certain niveau. Aujourd'hui, de part et d'autre, nous avons des plaintes par rapport à ce partenariat. Certaines ONG étrangères donc, affirment même que environ 60 à 70% des ressources qu'elles mobilisent ou qu'elles dépensent au Niger le sont à travers des ONG locales. Ce qui permet à nos ONG aussi d'avoir de l'expérience, mm-hmm. mais aussi de faire jouer leur avantage comparatif qu'ils ont par rapport donc à la connaissance du milieu, par rapport au coût, par rapport à l'efficience et un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas le cas Aujourd'hui, nous avons des plaintes de part et d'autre que mm-hmm. les ONG étrangères se plaignent que et de leur partenariat avec certaines ONG nationales. Et de l'autre côté aussi, des ONG nationales pense que le partenariat est déséquilibré. Donc c'est pour ça que par rapport à, cela, par rapport à la question du cadre juridique, j'avais parlé d'un cadre juridique euh, incitatif qui a été créé mhm. depuis les années 80. Mhm, mhm, Donc ce cadre juridique... Pour permettre un peu à ce que ces, organismes internationaux puissent euh, se développer. Voilà. Les, ONG, aussi bien étrangères que nationales, puissent trouver un terrain favorable à leurs activités. Aujourd'hui, nous pensons que eh, cette euh, politique euh, eh, d'émergence a produit des effets parce qu'avec plus de 3000 euh, ONG, nous pensons que si on travaille sérieusement, on peut valablement contribuer à développer le Niger. Alors, nous avons la question du cadre juridique qu'il faut eh, adapter aux enjeux, aux défis qui se dressent devant nous. Nous avons la question du partenariat entre les ONG elles-mêmes. elle avait parlé de coordination. Hein. Mm-hmm. Hein, elle avait parlé de coordination. Donc, mm-hmm. il y a le partenariat entre ONG le partenariat entre ONG étrangères et ONG nationales, le partenariat entre ONG de façon générale et l'État, le partenariat entre les ONG et les collectivités territoriales, mhm. donc tout ce le partenariat entre les ONG et les organisations communautaires de base aussi. Donc tout ça là aujourd'hui, nous avons quand même quelque chose à capitaliser en termes d'acquis, mais aussi en termes de défis auxquels on doit faire face. Nous avons la question du financement, la stratégie même du financement des ONG. Donc vous voyez, c'est autant de préoccupations qui se posent à nous que nous avons décidé, l'a souligner aussi, que tout ce que nous, nous avons fait, en tout cas au ministère du Développement communautaire et de l'aménagement du territoire, c'est de façon participative. C'est notre politique d'intervention. Donc nous posons le problème aux ONG et ensemble, nous essayons de chercher la solution. Et je pense que les ONG nous ont euh, très bien compris et nous accompagnent par, rapport à ça. Alors nous prévoyons d'organiser des assises des assises nationales sur le recadrage des interventions des ONG. Peut-être en ce moment-là, le mot conviendrait mieux à M. Philippe Clément que le mot assainissement, mais de façon globale, nous, nous parlons d'assainissement pour arriver à la lisibilité, à mmh. l'efficacité, à l'efficience des interventions. à l'amélioration de la performance du secteur des ONG. Oh oui. Donc l'assainissement, c'est notre démarche, mais la finalité, c'est l'amélioration de la performance. Et la lisibilité. Voilà, donc euh, y compris la lisibilité. Euh, euh, c'est aussi derrière tous ces, tous ces, grands mots, c'est aider, les Nigériens et apporter une assistance et développer, le Niger. Mhm. Ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, en effet, je suis d'accord avec vous Bien. Et monsieur le directeur général, je voudrais savoir par rapport au, respect même de, la réglementation mhm. euh, en vigueur. Euh, qu'en est-il Bon, c'est ça que je disais. Vous voyez, nous, au niveau de l'administration, nous sommes un certain nombre de ministères qui intervenons euh, pour l'encadrement et la gestion du secteur des ONG. Maintenant, si on doit parler des ONG étrangères, ce qui, qui constitue notre focus aujourd'hui. focus aujourd'hui. Voilà. Donc, vous voyez, une ONG étrangère, elle l'a précisé, pour qu'elle soit étrangère, il faut qu'elle ait déjà une, première nationalité. Donc, elle est créée, elle est reconnue. Avec son siège social. Voilà, et quelque part à l'étranger. Donc, pour rentrer au Niger, elle doit déposer un dossier au niveau de notre représentation diplomatique qui couvre son pays d'origine. Mhm. Si elle euh, est française, donc c'est en France. Euh, si c'est en Belgique, euh, donc c'est notre ambassade qui est en Belgique, ainsi de suite. Et cette ambassade-là transmet son dossier au ministère des Affaires étrangères. Donc c'est ça la porte d'entrée pour les ONG étrangères. Hmm. Une fois que le dossier est arrivé au niveau du ministère des Affaires étrangères, donc il doit être transmis au niveau du ministère de l'Intérieur qui a la charge de donner ou de ne pas donner l'agrément des ONG. Alors, à partir de là, donc en fonction du domaine d'intervention des ONG, donc les secteurs techniques, les ministères techniques, si c'est l'éducation, on saisit forcément le ministère chargé de l'éducation. Pour avis euh, Pour avis, si c'est le ministère de l'Environnement, euh, si c'est le secteur de l'Environnement. Euh. Mais le ministère de Développement communautaire est forcément saisi pour l'ensemble des ONG. Hmm. Et c'est sur la base de ces différents avis que le ministère de l'Intérieur donc donne euh, l'autorisation d'exercer. Mm-hmm. Alors, tout ça là, c'est le contrôle à euh, priori. Donc, on regarde, oui. voyez, si effectivement, par exemple, le programme. On peut laisser rentrer sur le Voilà, mm-hmm. donc l'ONG, d'abord, si elle a un statut d'ONG, parce que souvent nous sommes confrontés aussi à des organisations qui ont un autre statut, à demander le statut d'ONG, ce n'est pas ONG, donc nous, on ne peut pas reconnaître en tant qu'ONG. Mm-hmm. Plutôt, on va lui donner le statut qui lui convient. Alors, le programme d'activité qu'elle compte développer ONG il faut qu'il soit conforme ou qu'il ne soit pas contraire aux orientations dans le secteur. Vous voyez, si en matière d'éducation, on ne peut pas amener des méthodes qui ne sont pas agréées par le ministère de l'Éducation nationale. Mais tout ça, là, en principe, les ONG font un travail en amont pour l'identification de leur programme euh, au Niger. Donc, mais c'est des vérifications préalables que nous faisons. Maintenant, une fois que cela est fait, il faut signer le protocole d'accord type. Le protocole d'accord type, là, également, nous demande un certain nombre d'informations qui nous permettent de contrôler. Et une fois que l'ONG est agréée, donc, euh, chaque fois qu'elle doit intervenir, elle doit signer ce que j'ai précisé tout à l'heure, le protocole de mise en exécution. De mise en exécution, ça euh, au niveau euh, un peu euh, local. au niveau local, voilà, au niveau local, mais lorsqu'elle a une intervention au niveau de deux régions, donc c'est avec le niveau national qu'elle doit signer ce, Alors, par rapport au respect de la réglementation, donc nous voyons que, généralement, pour se faire reconnaître, il y a moins de problèmes. Une fois qu'on est reconnu, c'est à ce moment-là que les infractions à la réglementation commencent. Lesquelles, peut-être, Peut-être parce qu'on ne sait pas. Quel genre d'infraction, par exemple La signature du protocole d'accord type est une obligation donc, euh, qui est précisée par la loi. Dès mm. que vous êtes reconnu, il faut signer le protocole d'accord type. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'ONG qui n'ont pas signé le protocole d'accord type. Moins de 20%. Moins de 20%. C'est au moment où euh, peut-être le bailleur va demander ou qu'elle se trouve dans une situation où elle doit euh, fournir voilà. voilà. Nous avons aussi l'autre cas pour les ONG étrangères. Souvent, vous savez, euh, le ministère de l'Intérieur a la faculté de délivrer l'autorisation d'exercice pour une durée déterminée ou bien de façon indéterminée. parfois, on va vous dire deux ans renouvelables. Après deux ans, on va voir ce que vous avez. Euh, et, en ce moment, si vous faites la demande aussi, on peut donc prolonger pour deux autres années ou pour trois ans ou pour cinq ans, ainsi de suite. Mais il y a des ONG, jusqu'à arriver à terme, elles oublient de renouveler, de, renouveler. donc, euh, leur, euh, leur autorisation d'exercice. Donc, elles continuent à exercer de l'illégalité donc euh, au Niger. Ça, ça c'est un, autre problème. Que Et c'est au moment où parfois il faut signer le protocole d'accord type, quand on demande la présentation de l'agrément, on voit que l'agrément est expiré depuis des mois, alors que l'ONG est là en train de... Hmm. Hmm. Vous voyez Donc il y a la signature du protocole d'accord, infraction à la signature du protocole d'accord, infraction à la... signature au, protocole de mise en exécution. Infraction au renouvellement à temps donc de l'autorisation d'exercice, mais aussi en fraction au respect des délais dans le dépôt des rapports d'activité, dans la signature du protocole de mise en exécution. Monsieur le directeur, avant de lui donner la parole pour euh, peut-être euh, réagir, je voulais savoir la signature du protocole d'accord type euh, que chaque ONG doit signer avec le gouvernement. Cette signature intervient normalement combien de temps après avoir reçu l'agrément d'exercice euh, en principe, c'est immédiatement après avoir reçu l'autorisation qu'il faut accomplir la formalité pour la signature du protocole d'accord. Et ce protocole d'accord, pas, la signature n'est pas faite euh, au niveau du ministère de l'aménagement du territoire, c'est fait à quel niveau Elle est faite au niveau du ministère de l'aménagement du territoire et c'est pour ça que j'ai toutes ces données-là. Alors, une fois que l'ONG est reconnue, elle doit faire une demande de signature du protocole d'accord type et là, on demande un certain nombre d'informations. D'abord, l'arrêté qui lui est délivré, doit faire l'objet d'une insertion au journal officiel. C'est tous les arrêtés qui sont mm-hmm. délivrés pour commencer à être, doivent faire l'objet d'une insertion. Mm-hmm. Alors, l'ONG doit aussi eh, déposer son programme d'activité pour le Niger. Elle doit eh, donner eh, l'identité de son représentant, donc celui qui est accrédité, parce que mm-hmm. nous demandons une accréditation. Hein. Elle doit aussi donner la liste des employés elle doit donner eh, la copie du procès verbal de la dernière Assemblée générale on peut pouvoir signer le protocole d'accord. Ces dossiers, c'est tous ces dossiers qu'il faut tous ces éléments-là, oui, de procéder à la signature. Oui, c'est ça qu'il faut eh, présenter et demander la signature du protocole d'accord type. Et nous, dans un délai d'une semaine, nous sommes en mesure de lui délivrer le protocole d'accord type. Bien. Et s'il y a des observations aussi sur son dossier, on lui fait des observations pour qu'elle puisse, euh, euh, euh, parce que c'est son droit d'accéder au protocole d'accord type. Bien. Maintenant, si vous permettez, je peux revenir sur le protocole d'accord type. oui. oui. Alors, le protocole d'accord type, vous voyez, c'est un document qui eh, présente les engagements de l'État, mais aussi les engagements des ONG. Alors, eh, vous voyez, dans notre démarche eh, de, partenariat, c'est un texte que nous négocions, négocions avec les ONG. Et il est valable tous les cinq ans. Celui qui est actuellement en vigueur a commencé à courir à partir de 2016 et il va prendre fin en 2020. Pourquoi vous dites que c'est un texte que vous négociez On négocie parce que nous nous présentons nos préoccupations et on va vers les ONG qui réagissent par rapport à toutes ces préoccupations. L'ONG doit faire ceci, ceci, ceci, ceci et là. L'État doit faire ceci, ceci, ceci et cela. Maintenant, chacun va se prononcer et ça prend parfois de, longues discussions qui peuvent durer 3 mois, 4 mois, 5 mois, une fois on est allé jusqu'à 7 mois de négociation. Parce que cela euh, demande un consensus. demande un consensus, nous voudrions tenir compte parce que pour nous, les ONG vraiment sont euh, des structures qui accompagnent l'État, nous ne voulons pas créer des obstacles à leurs interventions, mais nous voudrions aussi que cela soit dans un domaine qui soit maîtrisé aussi par, l'État. Bien. Euh, nous revenons à vous, M. Clément Philippe, représentant donc de l'ORM euh, les organisations internationales euh, représentées euh, au Niger. vous avez écouté donc tous ces aspects relevés par le directeur général donc, du développement régional et, local. quel commentaire ou est-ce qu'il y a des aspects sur lesquels vous voudriez revenir non, pas forcément, mais effectivement, je crois que c'est ce qui est, important et assez révélateur en fait euh, juste le dernier élément, le, PAT, effectivement, c'est euh, euh, sa structure. Le protocole Voilà, ça structure toute la, coordination, la collaboration entre les ONG nationales et internationales et le gouvernement. Et je crois que là, c'est tout au crédit du, gouvernement de, pouvoir négocier négocier tout ce qui est, cette relation. Euh, et, c'est vraiment, pour moi, une, euh, belle image de, euh, relation assez, assez sereine et travailler main dans la main au bénéfice, au profit des populations du Niger. Et ça, c'était, je, crois que ça, c'est vraiment important. Et encore une fois, je reviens dessus. Euh, nous, on a, on a l'obligation en tant qu'ONG de, de, de, redevabilité et, euh, on donne des, euh, des, comptes à nos financeurs. On doit aussi donner des comptes euh, au ministère, en plus, qui, qui nous écoute et, euh, et qui, euh, qui veulent travailler, qui veulent être, avoir les, euh, renforcer leurs capacités aussi, etc. Donc sur, sur ça, il n'y a, y a, aucun, y a aucun problème. Et juste revenir aussi sur, sur le partenariat entre les ONG internationales et les ONG locales. Mm-hmm. Oui, j'entends ce, cette difficulté, j'entends les, les, difficultés que peuvent, ou les frustrations que peuvent avoir les ONG. Euh, local. je crois que, euh, encore une fois, je reviens dessus, mais c'est toujours euh, une ONG, regarde, qu'elle soit locale ou internationale, c'est regarder les bénéfices sur le terrain, regarder l'impact, la couverture sur le terrain, premièrement. donc ça, c'est clair. et des fois, des, fois, dans des situations d'urgence, peut-être qu'il est beaucoup plus rapide de sauver des vies sans passer par un acteur local. Mmh. mais mais dans, dans tous les cas, je crois qu'il y a quasi aucune ONG internationale, ou j'espère le, croire, euh, qui ne passe pas ou qui ne travaille pas avec une ONG, euh, une ONG locale euh, qui, qui, les accompagne. Et effectivement, c'est aussi un long processus de, relations, mais on, se doit, en tant qu'ONG internationale, de, de, de, renforcer ces capacités-là. parce qu'une ONG une ONG internationale, euh, je dis souvent, on est, on est simplement de, passage. Et je crois que la société civile, les ONG euh, ici sur place. Il y a toujours cette euh, intention de passer la main, souvent de. Ah bah, bien sûr. De, Malheureusement, les crises, souvent, c'est de passer la main, mais c'est donner la main, de renforcer cette société civile et de renforcer aussi les capacités du, gouvernement et des autorités locales. Et, Monsieur Clément, le directeur avait soulevé un certain nombre d'aspects, notamment souvent euh, quelques infractions à la réglementation en vigueur, notamment euh, le retard ou, pas du tout de, euh, de renouvellement, souvent d'agrément quand cela arrivait à expirer, et la, la, signature du protocole d'accord type. Est-ce qu'il y a des difficultés à ce niveau qui expliqueraient euh, ces retards ou euh, je sais pas. Alors l'OIRN, tous les membres, euh, on, envoie, on envoie ces informations, les rapports sont, sont en général faits fait à temps. On se, on se doit de faire ces, ces rapports-là. Encore une fois pour la redevabilité, mhm. il y a effectivement bah, une émission comme ça et aussi bien pour pour faire passer le message. après, il y a effectivement des infractions, des infractions qui viennent par méconnaissance de la loi. Alors nul, voilà. Donc et, effectivement moi je crois que c'est important d'avoir un cadre, un cadre légal et euh, qui est assez flexible pour les ONG aussi. Euh, et on, a euh, cette, négociation dont je parlais tout à l'heure. Euh, monsieur le directeur euh, Bachar Soleiman. Euh, donc entre autres difficultés soulevées la dernière, lors de votre dernière rencontre avec les ONG internationales, c'est notamment cette question de rapport d'activité à déposer à, mars. Mhm. et en tout cas, il a été soulevé à cette occasion que beaucoup d'ONG n'arrivaient pas à, satisfaire cette exigence. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'état actuel de cette situation effectivement, c'est une situation eh, que nous suivons au jour le jour. Et à la date d'hier, on doit être autour de 10% de, rapport, euh, de dépôt de rapport d'activité. Et il nous reste encore un mois. Donc on est autour de 10% de, rapport, de dépôt de rapport d'activité quand nous avons fait le point. Alors, eh, vous savez, on a un deadline, donc euh, le 31 mars, et nous avons passé que eh, beaucoup de d'ONG vont certainement attendre le dernier moment euh, pour déposer le rapport d'activité. Euh, certaines ONG nous ont déjà signalé quelques difficultés euh, qu'elles ont, mais l'un de l'autre, c'est une disposition de la loi. Donc nous allons voir ensemble comment <coughs> est-ce qu'on peut respecter ce, délai. Et, je pouvais faire oui, une suggestion, oui, parce que le, le rapport d'activité, donc même ma propre ONG, on doit le, on doit le rendre, on le rendra bientôt. Moi, j'insisterai aussi, c'est important que le ministère puisse euh, capitaliser euh, ou compiler toutes ces informations pour euh, pour pour redonner tout, pour faire un retour, à tous les ONG et je pense que ça c'est ça serait c'est vraiment vital pour donner envie après ou de faciliter voir qu'il y ait voir qu'il y vraiment des, des résultats derrière et, et, je crois que ça c'est très important et j'invite votre ministère à, à, le faire ce qui ce qui est à mon avis la solution à beaucoup de choses euh, ces rapports d'activité, c'est important pour vous parce que vous avez notifié tout à l'heure que cela vous permet d'avoir une idée de, de, la contribution de ces organisations internationales dans, donc, au, niveau de la solidarité pour, pour, pour le développement du Niger. Oui, en effet, c'est un rapport qui est, qui est très important pour nous parce que les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, donc euh, 114 de milliards, euh, voilà, 114 milliards, donc ça découle euh, de l'exploitation de ces rapports. Et, dans ces rapports-là, où nous produisons un rapport hein, sur les interventions des ONG, donc nous appelons bilan physique et financier des interventions des ONG, où on voit, même en termes par exemple de classes construites, de CSI appuyées, de nombre de personnes de nombre d'hectares traités. Tout ça, Est-ce que ces, ces, rapports sont, sont, mis à la disposition des, ONG en question euh, Justement, euh, euh, jusque-là, nous avons communiqué comme ça avec les ONG à travers, par exemple, les chiffres que je viens de donner. Mais je pense que nous sommes dans la dynamique indiquée par, par M. Clément parce que nous sommes en train de recevoir des contributions assez fructueuses comme celles qu'il vient de faire et nous pensons qu'il est possible le possible, et ça on voit peut-être s'entendre avec les ONG là-dessus, que chaque année qu'on publie ensemble la contribution des ONG au développement du Niger. Et c'est là, on va le contribuer en termes d'apport financier, les secteurs dans lesquels les ONG, les effets que cela a pu avoir, mais aussi la liste de toutes les ONG qui ont produit leur rapport à partir duquel donc on a pu faire cette exploitation. Alors nous, sommes pratiquement à la fin de, cette émission, Monsieur le Directeur euh, général. Euh, quelles sont les perspectives pour, euh, parvenir euh, davantage à une euh, intervention assez saine, profitable aux populations du Niger de ces ONG internationales nous, nous pensons qu'avec la démarche que nous avons engagée, qui est une démarche partenariale hein, et qui est partagée, le diagnostic a été partagé avec les ONG. Je pense qu'ils sont d'accord aussi avec notre démarche. Nous allons cheminer ensemble. Très prochainement, le ministre du Développement communautaire et de l'aménagement du territoire va aussi rencontrer les partenaires techniques et financiers, donc ceux qui financent ou qui contribuent au financement des ONG. La dernière fois, quand on avait rencontré les ONG étrangères, c'était de leur rappeler leur obligation de dépôt de rapport, mais j'avais aussi précisé que beaucoup ont affirmé dépenser les ressources à travers 60 à 70% des ressources à travers des ONG locales. Nous voudrions que les critères liés à ce que nous, nous appelons assainissement puissent être intégrés dans les critères de sélection de ces partenaires. De Voilà. Donc ça, c'est une façon de contribuer euh, à cet assainissement. Mm-hmm. C'est une façon de nous montrer qu'on est d'accord, qu'on a adhéré mm-hmm. et qu'on participe à l'assainissement parce que c'est bénéfique pour tout, pour tout, le monde. nous allons faire de même avec les partenaires techniques et financiers. très prochainement, le ministre du Développement communautaire et de l'aménagement du territoire va les rencontrer et, entre autres, va leur parler de cela. Mais euh, sur les questions de fond, c'est les assises. Les assises, sur le les assises nationales sur le recadrage des interventions des ONG. C'est pour quand C'est pour très bientôt. Nous avons mis en place euh, le comité d'organisation il y a une dizaine de jours. On est en train de finaliser les termes de référence que nous allons partager avec tous les acteurs. Et ces assises-là vont faire l'objet de réflexions préalables très profondes sur l'ensemble des thématiques constitue des, préoccupations pour nous aujourd'hui. Une fois que cela est fait, donc nous allons organiser une rencontre de deux, trois jours pour établir, enrichir d'abord les réflexions et partager euh, ces, différentes réflexions et ensemble identifier les pistes de solutions qui vont nous permettre vraiment d'améliorer d'améliorer la performance, parce que c'est ça la finalité, la performance du secteur des ONG au bénéfice des populations du Niger. Bien. Euh, monsieur euh, Clément Philippe, nous sommes à la fin. Euh, est-ce que vous, vous adhérez à la démarche du ministère et puis quelles sont vous les perspectives que vous envisagez d'assainir ou de rendre non, Non, je crois que ce que disait, euh, oui, il y a, je crois qu'il n'y a pas de, de souci, c'est encore travailler la main dans la main et euh, au, je crois à la performance des, euh, des, du, du, secteur associatif et je crois au bénéfice, vous avez dit, au bénéfice de, des Nigériens point final. Et, euh, c'est rappeler aussi effectivement ce besoin de coordination avec des chiffres euh, bien précis. On peut mieux se coordonner et aussi on peut avoir le leadership du gouvernement, de chaque ministère pour améliorer l'aide euh, au Niger eh Bien, nous sommes à la fin du forum de ce soir sur l'assainissement du secteur des ONG internationales représentées au Niger. Nous avons vu toute l'importance que ces ONG et le rôle combien important que jouent ces, ONG internationales, notamment l'aide au développement, euh, les sommes euh, importantes que ces ONG et les appuis importants que ces ONG apportent au gouvernement, aux organisations de la société civile au Niger et la nécessité pour les deux parti de travailler les mains dans les mains pour davantage contribuer au bonheur de la population du Niger tout en respectant la réglementation en vigueur. Très prochainement, Monsieur le Directeur Général le disait, il y aura les assises pour le recadrage des interventions des ONG euh, donc représentées au Niger. Merci chers auditeurs, nous étions en compagnie de Monsieur Clément Philippe qui est le représentant des organisations internationales représentées au Niger et Bachar Suleiman qui est le Directeur Général du développement régional et local attaché au ministère de l'Aménagement du Territoire. Présentation à la sainte Cousine Mahamadou, à la technique à Santaoué. Bonsoir.